forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du le forum du le forum du forum du forum du forum du 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui, vendredi 7 septembre 2018, le Forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la recrudescence des raptes dans la région de Difa avec quatre, quatre personnes enlevées lundi à Geske sur le plan euh, humanitaire, 44 984 Nigériens, dont 17 805 mineurs, refoulés d'Algérie entre euh, décembre 2014 et août 2018. Ce sont là euh, des chiffres du dispositif national de la prévention et de la gestion des crises alimentaires basé à Agadez. Sur le plan académique, les enseignants observent depuis lundi une grève pour exiger la reprise du processus électoral à l'université d'Andiko Kodanklodo du Maradi. Et côté service public, la Nigérienne de l'électricité Nigelec célèbre ses 50 ans d'existence dans un contexte de coupure d'électricité dans plusieurs villes du Niger. Au Mali voisin, le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment pour un second quinquennat alors que son principal opposant, Soumaïla Sissé, continue à contester cette euh, victoire d'Ibeka. Euh, pour euh, analyser ces sujets d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir Issa Fakaba Sissoko, rédacteur en chef du studio Tamani basé à Bamako. Issa euh, Fakaba Sissoko, bonsoir et bienvenue parmi nous. Hassan Boukara Di Abba de la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. El Hajj Mohamedou Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. El Haj Mohamedou Souleyman, bonsoir. Bonsoir et Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Les raptes des personnes fait désormais partie de la vie des populations de la région de Difa. Quatre personnes ont été enlevées dans une soirée, dans la soirée du lundi à Guesquerou. Parmi les otages, la mère et la sœur du député Boulou Ari. Les trois leaders de la société civile Nou Ardika, Ali Drissa et Moussa Tiangari en tournée étaient dans la famille du député pour apporter leur soutien moral. Écoutons à ce sujet Moussa Tiangari au micro de notre correspondant local Lawan Boukar. Je suis profondément triste. C'est quand même euh, une vieille dame qui a été enlevée de chez elle parce que ceux qui l'ont enlevée se disent euh, que son fils, qui est un député national, pourra certainement payer rançon. D'abord, quand ils sont venus l'enlever, ses deux filles on dit euh, qu'on les prenne elles et qu'on laisse leur mère. Finalement, ils ont pris le défi, ils ont relâché une parce qu'elle n'est pas bien portante et ils sont partis avec la maman. Ils sont également partis avec un commerçant qui lui a pu payer et ils l'ont relâché. Et la pauvre maman plus euh, sa fille ont continué à être détenues. C'est vraiment une véritable désolation que nous avons trouvée sur place. Euh, des dizaines de femmes qui sont rassemblées, en train de pleurer, etc. C'est le énième enlèvement pour obtenir des rançons. C'est une nouvelle forme finalement euh, d'action qu'on voit dans la région. Nous nous interpellons les autorités quant à, vraiment la nécessité de prendre des mesures pour protéger les gens contre de telles pratiques. Hassan Boukar, votre commentaire après avoir écouté l'acteur de la société civile Moussa Tiangari. Merci beaucoup. Alors là, comme on vient de l'entendre, je pense que c'est des pratiques euh, peut-être nouvelles qui, qui ont cours maintenant dans la région de Difa. Euh, nouvelle parce que là, c'est euh, répété ces derniers temps, ce qu'on a connu avant est quand même un peu différent de ces enlèvements où il y a des demandes de rançon. Je rappelle que euh, au début de Boko Haram, notamment au Nigeria, il y avait déjà des pratiques de ce type qui n'étaient pas très très connues à l'époque. Il y avait des pressions sur des bourgeois, des gens qui ont beaucoup de sous. Boko Haram arrivait à leur prendre des sous en menaçant justement s'ils ne payent pas des représailles sur leur famille, etc. Certains ont quitté les zones où Boko Haram se trouve pour s'installer à Abuja ou ailleurs, fuyant la zone justement où ils peuvent être l'objet de, ces, de, ces, de ce chantage. Mais il y avait donc déjà quelque chose de ce type. Bon, dans la région de Difa, c'est vraiment nouveau, comme l'a dit Moussa Changari. Alors, euh, ce qui est difficile, c'est de savoir est-ce que ce sont les gens de Boko Haram qui cherchent de l'argent, qui cherchent maintenant d'autres sources de financement, peut-être que les sources habituelles euh, ont tari et ça ne marche pas, ou alors le contexte créé par la guerre de Boko Haram permet à d'autres personnes de faire du banditisme, de se faire de l'argent facile en enlevant les gens et en faisant ce type de pratiques. Euh, la guerre permet ce type de choses. Hein. Je pense que dans la région d'Agadez, à la suite des rébellions que la zone a connues, euh, on s'est rendu compte que il y avait par la suite des routes qui étaient coupées, il y avait une sorte de banditisme qui s'est créé euh, parce que les armes circulaient facilement, donc les malfrats étaient armés, etc. Alors je me dis, euh, est-ce que c'est vraiment un questionnement Est-ce que c'est Boko Haram qui fait ces enlèvements vraiment pour avoir d'autres sources de financement ou alors, est-ce que c'est d'autres personnes qui profitent justement de ce climat Donc, pour moi, ça, ça suscite beaucoup plus de questions que de réponses. La question est posée. à l'agir Mohamed Souleiman, avez-vous des précisions sur ceux qui, qui font ces enlèvements et comment sommes-nous arrivés là euh, Des précisions, pas du tout, parce que euh, pour avoir des précisions, il faut faire une investigation et ce n'est pas le cas. Euh, on peut peut-être supposer que euh, lorsqu'on parle euh, de personnes ciblées, de personnes aisées, on peut penser peut-être à des complicités, des complicités locales. Parce que eux, les, à moins que ce soit vraiment des bandits simplement qui veulent se faire de l'argent, donc, pour identifier des personnes aisées, il faut nécessairement la complicité des de gens. Euh, je pense que tout simplement, ce n'est qu'une suite euh, euh, les terroristes n'ont pas de soucis pour se faire de l'argent parce qu'ils veulent financer euh, aussi leur cause, hein. euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dans tous les cas, eux, ils sont dans une logique où souvent on rapporte qu'ils peuvent être amenés en fait en panne de ressources alimentaires, tout cela. Donc vraiment, je pense que encore une fois, nous sommes face à la réalité, à savoir que la collaboration des uns et des autres euh, doit être de mise parce que c'est la sécurité de tout le monde. Lorsqu'on vient prendre, en fait, euh, certes, en prenant la mer du député, on pense qu'il a, parce qu'on a entendu effectivement la somme qu'ils ont demandé, c'est beaucoup d'argent qui l'ont, plus de 20 millions, je crois. Mm, euh, de francs CFA. De, Donc, c'est vrai, il a cet aspect. Mais moi, encore, je dis non seulement, il faut dénoncer les complicités, il faut plus, donc, que la population civile collabore efficacement avec les forces de défense et de sécurité pour qu'on puisse effectivement euh, euh, vraiment freiner cette euh, situation très très malheureuse. Gary Amadou, ce phénomène sévit également dans la région de Maradi, le long de la frontière avec le Nigeria. Comment l'expliquer ce que, ce que Abba a dit est extrêmement intéressant et c'est juste. Parce que les groupes terroristes ont l'habitude, quand ils font des enlèvements, quand même, je parle de Al-Qaïda au Maghreb islamique et, consorts, quand ils font des enlèvements, ils revendiquent. Bon, euh, moi je m'étonne que des enlèvements comme ça sont commis, mais sans revendication, parce que c'est pas une honte pour un groupe terroriste d'enlever des, gens et d'exiger des rançons. C'est pas une honte, c'est une pratique qui existait déjà, au niveau de Al-Qaïda, au Maghreb islamique, etc., etc. Oui, oui. Donc c'est pas une honte. Mais ce qui m'intrigue, comme l'a dit Abba, c'est le fait qu'il n'y a pas de revendication. Parce que les groupes terroristes ont pour euh, habitude avec fierté de revendiquer des enlèvements et de revendiquer et de demander des rançons, notamment dans le cadre des enlèvements d'Occidentaux. Et là, ce sont des citoyens de la zone qui sont enlevés. Effectivement, la question qu'Abba se pose, elle, elle, elle, elle vaut son pesant Parce que, pourquoi eh, mais, dans, dans, les, autres pays du Sahel, ce sont les Occidentaux qui sont ciblés et non les populations locales. Oui, au, niveau du Cameroun, par exemple, au niveau du Cameroun aussi, des, des, des, des préfets ont été enlevés, n'est-ce pas C'est pas des blancs qui ont été enlevés. Donc, j'ai dit, euh, euh, il faut s'interroger. Ça peut être Boko Haram. Si c'est Boko Haram, ça veut dire une chose. Ça veut dire que les sources de financement sont en train de, trahir, de, de, de tarir. Ça veut dire que ce que les gens ont l'habitude de dire souvent, que Boko Haram est en train d'être affaibli, faute de moyens, etc., etc., c'est peut-être vrai. Maintenant, avant, comme l'a dit Abba, qu'est-ce qu'il faisait il, il, il faisait des pressions sur les commerçants pour avoir de l'argent. Maintenant, comme ces commerçants-là ont fui et que euh, euh, c'est maintenant ça devient un peu plus compliqué, maintenant il faut faire des enlèvements exiger à ce que les gens payent. Maintenant, si les gens payent, ça permet de, de remobiliser les ressources pour financer les activités. Maintenant, si c'est le banditisme, parce que c'est aussi possible, parce que comme il l'a dit, les gens peuvent profiter d'une situation de, de, de, de, presque no man's land où euh, l'espace est tellement étendu que l'armée, malgré tous ses efforts, elle ne peut pas quadriller complètement. un soldat derrière chaque personne. C'est pas possible. Donc, ils connaissent ça et ils peuvent, les gens peuvent profiter, n'est-ce pas, pour euh, peut-être des anciens combattants de Boko Haram pour créer un climat de banditisme et pouvoir s'enrichir. Quoi qu'il en soit, ce qu'a dit Moussa Tchangari est vrai. Il faut que des mesures soient prises pour euh, protéger les populations, sécuriser les populations. Les gens qui sont riches au niveau de DIFA, qui ont de l'argent, doivent avoir une protection privée. En tout cas, il faut plus. Ils doivent comprendre que, attention, euh, je ne peux pas circuler comme ça, tranquillement. C'est dangereux. Ma famille, il faut que, puisque j'ai de l'argent, que je puisse euh, mobiliser en tout cas des gens pour, pour protéger ma famille. Issa Fakaba Sissoko, connaissez-vous ce phénomène au Mali Comment se présente-t-il ah Oui, malheureusement, c'est devenu le dénominateur commun de de, de beaucoup de pays de la bande sahélo-saharienne. Euh, <clears throat> Peut-être à la différence du Niger, euh, il y a des revendications. Euh, au début, lors de l'éclatement de la crise au Mali dans les années 2011, comme vous l'avez dit, c'était d'abord, euh, ce sont les Occidentaux qui étaient d'abord les cibles. Mais au Mali, au cours de ces deux dernières années, on a vu que ce ne sont pas que des Occidentaux, c'est aussi des cadres hum, maliens ou des surtout des fonctionnaires maliens et qui sont pris en otage. Et à, l'heure où je vous parle, euh, il y a par exemple un commandant de brigade de la gendarmerie dans la région de Kouloukoro qui est encore sous entre les mains des, de ses ravisseurs. Il y a aussi ce juge de Nyonon euh, Sungalo Kone qui a été enlevé dans le cercle de Nyono. Et donc, euh, en plus de cela, il y a d'autres Occidentaux dont les enlèvements ont été revendiqués soit par Al-Qaïda au Maghreb islamique euh, ou bien par euh, d'autres sous-groupes sous-traitants parce que c'est ça le danger. Aujourd'hui, euh, Al-Qaïda peut ne pas venir enlever quelqu'un à Gao, mais elle peut sous-traiter avec des petits groupes. Malheureusement, l'insécurité laissant la voie ouverte à, beaucoup de types de banditisme. Donc euh, on est vers de la sous-traitance. Mais de toute façon, euh, quand c'est Al-Qaïda, elle, elle les revendique. Au début aussi, au Mali, on avait pensé que c'était au nord, mais cet enlèvement s'est déplacé un peu vers le sud. Et c'est par exemple celui de l'humanitaire colombienne Gloria, la sœur Gloria, qui a été enlevée jusqu'au sud. C'est-à-dire, je dis jusqu'au sud parce que c'était une zone qui ne connaissait pas cette forme de, de banditisme et d'insécurité. Donc, oh, on a presque, c'est presque le, le, le prolongement de l'insécurité sur la bande sahélo-saharienne. Et ça pose malheureusement la problématique de la nécessité pour nos États d'abord de développer entre eux la coopération militaire entre, entre ces deux pays. J'espère que le G5 euh, va être une solution, mais aussi pour les décideurs politiques de mieux investir en, en nos armées et puis voilà d'offrir aux populations la sécurité qu'il faut. Passons à un autre euh, registre euh, moins triste. Il s'agit de celui euh, des Nigériens refoulés d'Algérie. Entre décembre 2014 et août 2018, 44 984, dont 17 euh, 805 mineurs ont été enregistrés à Agadez. L'État du Niger a débroussé entre mars 2017 et août 2018 un peu plus de 242 millions de francs CFA pour acheminer ces refoulés vers leur localité, majoritairement des ressortissants de la région de Zendera. Et aux dernières nouvelles, plus de 500 autres Nigériens sont arrivés à Agadez euh, mercredi. Gary Amadou, comment expliquer la persistance de ce problème Vraiment, c'est un problème inquiétant et surtout au niveau de, de, de, la région de, Zander, en tout cas de cette localité-là, la localité de euh, une localité qui est quand même connue pour euh, pour avoir beaucoup de migrants qui sont qui vont surtout vers le Maghreb. Ça pose un problème parce que j'ai l'impression que on rapatrie les gens, mais les mêmes gens retournent. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce qui se passe Parce que moi, je, je m'interroge. comment est-ce que, qu'est-ce qui fait que une seule localité, n'est-ce pas Une seule localité arrive à avoir autant de migrants qui vont. Moi, je, me suis posé la question, je n'arrive pas à comprendre. Des gens partent en, Europe, surtout en Algérie, où ils font parfois de la mendicité, n'est-ce pas et, c'est le bouche à oreille, ou bien ils ont l'impression que quand on va là-bas avec la mendicité, on se réalise qu'est-ce qui se passe Pour que toute une, toute une zone les gens arrivent à se, à se déplacer euh, comme ça. L'État est en train de, de, de mettre, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que si on rapatrie 1000 personnes et que 500 repartent, parce que je suis sûr que parmi ceux qui repartent là, les 500 dont vous avez parlé là, il y en a qu'on avait rapatrié. Il faudrait qu'on vérifie. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai l'impression qu'on est en train de jeter de la... Il faut qu'on trouve, il faut que quand on ramène des gens, qu'on puisse retrouver des occupations aussi. Bon, il faut que Des mesures d'accompagnement. Il faut qu'eux aussi, ils acceptent quand même de se... Parce que c'est de la facilité de partir mendier au Maghreb. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils partent pas travailler, ils partent mendier dans les rues. Et ça cause des tracas même aux Algériens qui commencent à trouver que oui, y ils sont envahissants, ils sont en train de, perturber la, la, la quiétude, la des, oui, des, des, des riverains. Donc, Maintenant, il faut que les gens acceptent de travailler pour pouvoir gagner de l'argent. Pas partir chez les, Arabes, mendier, tendre la main pour avoir de l'argent. Il faut que les gens déjà changent de mentalité, pour moi. Alage Mohamedou Suleiman, plusieurs études et recherches montrent que c'est de la région de Zander que par le gros, gros bataillon. Existe-t-il une tradition d'échange avec l'Algérie ou quelques liens historiques qui expliquent ce déplacement massif? Bon, vous dites euh, des études, euh, je, pense, je considère que les scientifiques, les, chercheurs euh, ont apporté des, précisions, mais moi je pense que je mets ça dans le paquet de l'immigration. Et l'immigration ici ou ailleurs, sa principale cause, c'est la pauvreté ambiante des populations. Euh, donc c'est pas un phénomène culturel Pas forcément culturel, c'est un aspect peut-être, mais il ne peut pas tout expliquer. Ce qui fait sortir les gens euh, qui prennent même les risques pour braver même la mer, c'est vraiment la pauvreté. Et ça, c'est pourquoi, effectivement, au niveau politique, euh, même si on essaie de procéder par euh, d'autres voies détournées, mais ils savent que la solution alternative et crédible, c'est d'abord le défi de développement. En tout cas, il faut Il a dit, regardez, que lorsque effectivement on, on ramène les gens, s'il n'y a pas d'autres mesures, d'accompagnement, ils vont partir. Parce qu'on voit, euh, en fait, ce qui fait partir les gens, ils savent le danger, mais face à l'indignité, face à la pauvreté, les gens préfèrent braver toutes les, tous les obstacles pour aller se réaliser, parce que tout simplement, il y a comme un rêve, euh, l'être humain, parce que vous savez, l'immigration, historiquement, il y a L'immigration, elle est vraiment. Ça fait partie de l'histoire euh, des populations. Tout à fait, de tous les, euh, tous les coins du monde, on peut se déplacer du nord au sud, de l'ouest, vice ça. Si les Occidentaux ont découvert d'autres régions du monde, c'est parce qu'effectivement, ils se déplacent. Donc, moi, je pense que, oh, oh, fondamentalement, pour faire court, la vraie raison qui fait que les gens sortent, c'est vraiment des questions de pauvreté. Et ça, je pense que euh, c'est pourquoi il faut vraiment qu'on mette tous ensemble notre intelligence, le gouvernement en plus en tout cas, mettre les moyens euh, qu'il faut en tout cas pour permettre euh, aux gens d'avoir des occupations, en tout cas, euh, de lutter en tout cas avec des, activités en tout cas qui peuvent donner des revenus. C'est la seule alternative. Sinon, quoi qu'on fasse, les gens vont partir. Hassan Boukar, l'Algérie a toujours été accusée de renvoyer les migrants sans ménagement ou même euh, des gens jetés à la frontière sans aucun bagage ni argent. Avez-vous euh, des, telles informations ou bien c'est de l'exagération Je pense que l'Algérie s'est distinguée ces dernières années par une politique totalement intolérante vis à -vis des migrants. On parle euh, de Nigériens qui partent mendier, Garé l'a évoqué, oui. Par exemple, euh, les gens de la zone de Kanchi, on a fait cas des femmes qui partent mendier. Mais l'essentiel des migrants partent travailler. Je pense que M. Sissoko peut le dire, les Maliens, les Sénégalais, d'autres Africains qui partent, ils partent surtout, surtout chercher à travailler. En juillet dernier, j'étais dans la région de Kanchi. J'ai parcouru quelques-unes des communes justement qui sont concernées, notamment la commune de Kourni, Saouni, Dambarto, dans ces communes. Euh, oui, aux côtés des femmes qui partent mendier, euh, entraînant avec elles des enfants, euh, qui sont arrachés à l'école d'ailleurs quelquefois, on trouve aussi des hommes qui cherchent à travailler. J'en ai rencontré plein d'hommes qui essaient de travailler dans la cueillette et qui essaient de gagner de l'argent. Euh, qui, qui, cherchent vraiment à travailler pour gagner leur vie. Euh, il y en a beaucoup euh, de ces, de ces types de personnes dans la zone de... Mais, mais c'est dans quelles conditions ces migrants sont-ils refoulés à la frontière Les conditions dans lesquelles ils sont refoulés, c'est des conditions extrêmement inhumaines et inacceptables ils sont parfois refoulés vers les, vers les zones désertiques. C'est une zone extrêmement difficile. Euh, on a tenté à un moment de refaire le parcours des femmes de Kanché, en partant de Kanché jusqu'à la frontière algérienne. Nous étions jusqu'à Samaka. On voit bien l'environnement dans lequel ce déplacement se fait. C'est un environnement extrêmement austère, très très difficile. L'Algérie, euh, euh, un peu prend par par-là dans les différentes villes, tous ces migrants. Ils sont amenés vers Tamanrasset, dans le sud de Tamanrasset. On les amène vers euh, la frontière nigérienne. Parfois, ils sont déversés dans les zones désertiques et il leur faut marcher de longues distances. on a entendu beaucoup des réactions de l'OIM, d'autres acteurs, des ONG, qui dénoncent justement, y compris au sein de l'Algérie d'ailleurs. Vous avez à un moment une pétition qui a largement circulé, qui montre que la société civile algérienne, les défenseurs des droits humains ne sont pas d'accord avec cette politique d'une Algérie qui, veut faire du commerce avec le Niger, qui fait énormément de choses en direction des pays du Sud, mais qui n'accepte pas les migrants. C'est une politique totalement austère, difficile, qui rappelle aussi les politiques euh, vraiment répressives des pays européens. Je pense qu'il y a quelques... Il y a quelques années, l'Algérie avait aussi, euh, s'était distinguée par ce type de réaction. Euh, c'est d'ailleurs retrouvé en difficulté devant la Commission des droits de l'homme à Genève face à un rapport alternatif produit par la société civile qui montre justement euh, tous les visages de cette politique totalement inhumaine vis-à-vis des migrants, faite de xénophobie, faite d'attaques, etc., etc., qui était relayée aussi par des médias algériens. À un moment, euh, nous, on essayait de collectionner avec des, des, des, des acteurs algériens des coupures de presse ce n'est pas lisible. Totalement, ça sent la xénophobie, ça sent vraiment le racisme. Et donc, l'Algérie, aujourd'hui, malheureusement, et je pense que beaucoup de pays le dénoncent nos pays doivent avoir euh, la capacité de dénoncer. Oui, euh, s'il veut faire le commerce euh, avec nos pays, veut, il faut qu'il y ait d'abord un minimum de respect pour l'être humain. Je pense que ça commence par là. Issa Fakaba, en plus des Nigériens, ce sont tous les subsahariens qui sont refoulés d'Algérie vers le Niger. À votre avis, ce sont des alternatives qui manquent dans nos États ou bien euh, ce sont les politiques publiques euh, qui sont mal adaptées, favorisant ainsi le, les départs euh, de ces subsahariens Non, <clears throat> d'abord, il faut, rappeler que l'une des raisons d'ailleurs de ma présence euh, au Niger ici, c'est de voir comment avec euh, le projet Studio Tamani, euh, le projet Studio Kalangu, Studio Tamani peut développer des émissions journalistiques, des émissions radiophoniques euh, sur cette thématique-là. Donc ça veut dire que tout de suite on parlait de la sécurité, maintenant c'est l'immigration, c'est une préoccupation commune à nos, à nos, à nos deux pays. Donc euh, le Mali est réellement concerné par l'immigration et ce matin j'étais à l'ambassade, on me disait que dans la vague d'arrivants à Agadez, il pourrait y avoir euh, quelques dizaines de Maliens, de quelques dizaines de Maliens là-dedans. Donc ça veut dire que euh, cette, euh, ces personnes vont s'ajouter à la longue liste déjà des rapatriements que nous avons connus. Alors, vous avez parlé de de l'aspect culturel. Oui, moi je suis ici, par exemple d'une région à l'ouest du, Mali, euh, à Kaye, l'immigration peut avoir des raisons culturelles parce que, mais tout est lié à la pauvreté en réalité. Par exemple, si vous et moi, nous sommes issus d'une même famille, mais de, de mères différentes, donc euh, des enfants de co-épouses, vous, vous avez la chance d'être en Europe et vous faites de gros investissements dans la famille et moi, je, je suis plutôt au champ. Alors donc, vous voyez, c'est ma maman, c'est ma femme ou les, les, les, parents même qui me disent que je suis un fainéant et que bon, l'autre là est en train d'investir. Donc ce sont les parents eux-mêmes qui poussent les enfants à aller <clears throat> vers l'immigration. Mais moi, mon problème, ce n'est pas leur rapatriement, encore moins les conditions de rapatriement. Moi, je me pose la question, pourquoi partent-ils alors ils partent parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune perspective. Et ça interpelle nos dirigeants et ça interpelle nos décideurs politiques qui ont très peu investi dans l'éducation, qui ont très peu investi dans la formation des jeunes, qui ont très peu investi dans, dans, dans la politique de rétention des jeunes euh, sur place. Moi, je, vois, je ne vois pas beaucoup de jeunes, euh, de jeunes Algériens, par exemple, qui viennent vers le Mali. Ils n'ont rien à chercher ici. Peut-être ils font, ils vont, ils vont en France et dans la plupart des cas ils se dirigent vers Marseille parce que ils sont très proches de là-bas. Mais mais parce que ils, n'ont pas ils n'ont pas à venir chercher ici ce qu'ils ont déjà sur Mais pourquoi euh, nous on ne travaille pas pour euh, euh, donner une meilleure perspective à nos à nos à nos à, nos jeunes. Mais c'est ça parce que nos les jeunes n'ont pas de perspective. Les jeunes quittent les universités, ils ont leur diplôme, ils n'ont rien à faire. Donc, ils n'ont d'autre choix que de braver le désert et la mer. Le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur observe cette semaine un arrêt systématique de toutes les activités académiques et ce jusqu'au 10 septembre pour exiger du gouvernement la poursuite immédiate du processus électoral à l'université d'Andiko Danklodo de Maradi. Un mot d'ordre de grève qui est susceptible d'être reconduit en cas de non-satisfaction, explique le secrétaire général du Ben Snex Nabala Adare. Alhaj Mohamedou Suleiman, quels pourraient être les enjeux pour expliquer ce blocage des universités pour une élection dans une université? Euh, franchement, c'est assez gênant. Je pense que nous sommes en démocratie et à l'université, euh, particulièrement, une élection ne doit pas constituer constituer un problème. C'est assez élémentaire. Je pense que les gens peuvent faire leur campagne, peuvent, en tout cas, c'est vraiment une anomalie euh, de mon point de vue euh, dans une université qu'une élection vraiment soit un goulot d'étranglement de la rentrée. Et j'ai vu la du ministère de l'enseignement supérieur qui effectivement a écrit une lettre en tout cas aux autorités compétentes pour dire que euh, la grève, le grève. Selon vous, la grève du Sinex n'a pas sa raison d'être. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit simplement que pour moi, c'est assez bizarre qu'une élection, une simple élection, constitue un blocage à l'université. Euh, je pense que franchement, il y a un problème et tous ceux qui sont à l'origine du problème, que ce soit les autorités euh, rectorales, les enseignants-chercheurs ou bien en tout cas les étudiants, je pense qu'ils ont tort. Ils ne peuvent pas vraiment justifier le fait qu'il y ait un blocage d'une rentrée à cause d'une élection. Je pense que rapidement, il faut que l'autorité, en tout cas, frappe euh, vraiment euh, vraiment sur la table pour que rapidement que cette élection soit faite dans les conditions vraiment régulières et vraiment qu'on puisse avancer. Hassan Boukara, Aladji Mohamed Souleymane avait voulu l'évoquer. Au même moment, le ministère des Enseignements supérieurs demande au recteurs des universités publiques au fin d'opérer des retenues sur salaire pour fait de grève. Euh, c'est une sorte de, de, de réponse du berger à la bergère je pense que ce bras de fer n'est pas dans l'intérêt des universités. Euh, comme euh, Alagé l'a dit, c'est une affaire d'élection. Les, les, universités sont habituées à avoir une certaine autonomie dans leur gestion, dans leur façon d'avoir leur dirigeants. C'est quand même un milieu euh, auquel, auquel, on doit au moins se reconnaître. C'est minimum. Faire des élections, ça se fait dans les syndicats, ça se fait partout. Donc je pense que je ne sais pas encore très bien pourquoi, qu'est-ce qu'il y a au fond qu'on puisse arriver à ça. Normalement, un processus qui est engagé devait arriver à terme. Donc, je pense que ceux qui ont créé le blocage autour de cette élection ont la responsabilité de ce blocage. On est en début de rentrée dans un pays qui connaît beaucoup d'instabilité ces dernières années. Je pense qu'il est temps qu'on arrête ces choses, qu'on puisse vraiment créer un peu plus de stabilité pour que l'école puisse reprendre vraiment dans ce pays. À mon avis, c'est pas normal. Garé Amadou, les cinq étudiants incarcérés à la prison civile de Niamey ont été libérés mercredi. Ils avaient été mis aux arrêts pour attroupement armé et dégradation des biens lors de la manifestation des élèves et étudiants le 18 avril de cette année. Est-ce un signe d'apaisement pour permettre une euh, reprise des cours de la sérénité? Oui, c'est possible, mais euh, moi je vais être direct avec la grève des enseignants de l'université d'Enclodo. C'est une grève euh, assez idiote pour moi. Elle n'a aucun sens. Moi, je peux comprendre qu'on puisse gréver parce que les salaires ne sont pas payés. Je peux comprendre qu'on puisse gréver parce que les primes de recherche ne sont pas payées. Je peux comprendre qu'on puisse gréver parce que, parce que, parce que les conditions. Mais pour une élection, bloquer, bloquer l'université pour une élection, quand même, c'est enfantin ça. C'est pas Moi, dans tous les, de, oui, mais, les euh, je parle, de... oui, je parle de mais c'est enfantin, c'est une honte. Moi, j'ai honte quand j'entends ça. Euh, mais quel est l'impact de l'élection sur l'académique C'est quoi le problème Est-ce que s'il n'y a pas d'élection, les, les enseignants ne peuvent pas enseigner ou bien c'est quoi c'est quoi, en fait Il faut qu'on nous explique c'est quoi le problème. Parlons à présent du, de, la, libération des Et moi, je suis d'accord avec les mesures prises par le gouvernement. C'est-à-dire que pour une raison, pour des raisons aussi absurdes, il faut qu'il y ait des coupes sur les salaires. Je suis d'accord. Libération, des, libération étudiants. des étudiants. Oui, libération des étudiants, mais je pense que c'est un bon signal parce que je crois que l'USN avait depuis longtemps demandé la libération de leurs camarades, n'est-ce pas, pour amener un climat d'apaisement. Je pense que le gouvernement a fait un geste en libérant ces camarades-là, mais les libérer aussi, c'est aussi, il faut aussi leur permettre de reprendre leur cursus universitaire. Parce que il faut pas qu'on arrive à un point où on les, libère et puis bon, on dit bon, vous ne pouvez plus intégrer le, le, circuit universitaire de, de, Niamey, etc., etc. Il faut qu'on puisse les réintégrer. C'est ça qui va permettre quand même d'amener un climat d'apaisement et qui permet de, de, de, en tout cas, de commencer la nouvelle année. La Nigérienne de l'électricité, la Nigélec, célèbre cette semaine ses 50 ans d'existence. Au même moment, depuis plusieurs jours, Agadez, Arlit et, Kirozerine sont plongés euh, dans le noir. À Tanout, les habitants sont sortis dans la rue pour dénoncer le long manque d'électricité qui impacte sérieusement toutes les activités socio-économiques euh, dans la ville. Gare Amadou, vous êtes observateur et clients de la Nigelec. En fait, euh, quels sont euh, les efforts significatifs constatés en un demi-siècle de monopole oui, il faut, il faut, il faut bien d'abord comprendre que la population qui, qui manifeste contre, euh, elle, est dans son bon droit parce que les consommateurs, quand ils sont dans une situation. Oui, je parle de Tanout. C'est que leur manifestation est certainement due à un certain ras-le-bol. C'est-à-dire qu'il y avait une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cependant, euh, je pense que euh, la Nigélec, on a constaté quand même ces derniers temps qu'une amélioration dans le cadre de la fourniture de l'énergie électrique, ce n'est plus les coupures intempestives d'avant qu'on constatait. Vous comprenez Les coupures ont diminué pour ce qui est de Niamey. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'intérieur du pays. En tout cas, au niveau de Tanout, apparemment, il y a beaucoup de problèmes. Mais euh, ce 50e... Même Agadez. Même Ce 50e anniversaire doit servir quand même à la Nigélec pour revoir... sa politique. Mais c'est, mais c'est même une, c'est, c'est, ce, cet anniversaire-là doit être un anniversaire de remise en question pour l'État, pour la politique énergétique du Niger. Parce que il y a quand même eu des projets qui n'ont pas été assez concluants, qui sont très décriés. Gourubanda, par exemple, qui est très décrié. Mais je crois que l'État doit revoir sa politique énergétique afin de pouvoir trouver des sources d'énergie qui peuvent permettre de subvenir aux besoins des populations. Hassan Boukhar, quels sont les défis ou les chantiers sur lesquels les abonnés attendent plus euh, la Nigélec L'électricité. <laughs> les abonnés qui attendent la, fourniture de d'électricité. Je pense que le mot important, ce garé qu'il a lâché, c'est la politique euh, énergétique, énergétique, de notre pays. Il faut voir la, la à 50 ans. Euh, ça veut dire qu'elle a été créée à un moment où on peut imaginer les besoins en fourniture d'électricité il y a 50 ans. À l'époque, euh, trouver un frigo, c'est pratiquer chez des hauts cadres ou chez des... des, voilà, aujourd'hui, ces choses-là sont devenues presque banales. Du coup, il y a toute une culture, toute une civilisation euh, dans la consommation d'énergie qui a, changé en un demi-siècle. Je ne suis pas sûr que la ait suivi cette évolution-là. Il y a donc une réflexion à faire au niveau de Donc ça veut dire que les politiques n'ont pas suivi Je ne suis pas sûr en tout cas en ce qui me concerne. Je pense qu'il y a tout un travail à faire pour se dire. la démographie, la, démographie. La, euh, démographie est arrivée, les, nouvelles technologies sont, sont, là, la technologie est à la portée aujourd'hui de beaucoup plus de citoyens. Du coup, ça appelle plus de consommation d'énergie dans, dans, les ménages et donc la Nigélec doit réfléchir sur cette évolution-là. Mais au-delà, je pense que euh, peut-être qu'il faut aussi euh, mettre ensemble les réflexions, parce qu'en dehors du Niger, je pense que d'autres pays de la sous-région vivent aussi des problèmes en matière de ravitaillement en, énergie électrique. Donc, je pense qu'il y a vraiment tout un travail de réflexion à faire et il faut que la Nigeria puisse aller dans ce sens. Il y a toute une réflexion à faire, à mon avis. Alhaji Mohamed Suleiman, euh, pour vous, quelles sont les attentes des abonnés face à la Nigélec et que, et que peut faire l'État pour euh, rendre, euh, plus accessible l'énergie pour tous euh, de je dis par rapport à l'anniversaire en tant que tel. Récemment, j'ai eu une interview avec le commissaire à l'énergie de la CDAO, M. Sedik qui est nigérien sur la Nigélec, euh, il a en tout cas, nous a confié que dans la sous-région analysée, la Nigélec n'est pas très mal cotée, elle est même bien cotée en termes de sa gestion, en termes de, ce qu'elle fait. Mais bon, pour revenir sur, sur Terre, pour revenir au pays, euh, ce que nous constatons, c'est vrai, à ce moment-là, comme le disait Garé, il n'y a pas beaucoup de coupures. Mais on se rend compte que c'est pendant la canicule que elle n'arrive pas à, en tout cas, à satisfaire euh, ses abonnés. Euh, donc, euh, je pense que le vrai débat, il faut donc revoir un certain nombre de choses. Certes, à un certain moment, le débat, c'est faut-il opter pour l'énergie solaire Mais les experts nous ont dit que c'est vrai, non seulement l'investissement initial est très lourd, après, c'est gérable, mais les gens disent que même ailleurs, dans les pays développés, euh, le, le, degré de pourcentage, en tout cas, du solaire, il est très, très euh, limité. Bref, donc, moi, je suis en train de constater que euh, par rapport maintenant à l'augmentation quand même des factures au niveau donc des de, tarifs sur l'électricité, on doit véritablement espérer que dans les mois, en tout cas, à venir, que effectivement la, la Nigélec puisse véritablement renforcer ses capacités pour que effectivement euh, les gens puissent. Être... je pense que le, le, truc, l'espoir, c'est que Kandaji, effectivement, si on arrive à le réaliser. Le barrage de Kandaji. Euh, tout à fait. Ça pourrait être en tout cas euh, un espoir pour soulager. Parce qu'apparemment, c'est la, la, la, matière qui est insuffisante, quoi. C'est l'offre qui est Issa Vakaba, vous avez vécu euh, la longue coupure d'électricité à Niamey mardi. Euh, connaissez-vous les mêmes désagréments au Mali euh, Le coût de l'électricité est-il abordable là-bas Le courant est-il coupé pour impayer immédiatement à la fin du mois Non, l'autre jour, quand on, a été plongé dans l'obscurité, ce n'était pas nouveau pour le consommateur d'électricité que je suis, je me sentais un peu au Mali. C'est la même chose. C'est, euh, si vous voulez, c'est la Là, c'est le consommateur qui parle. C'est la même médiocrité en termes de fourniture en électricité. Et le cas du Mali euh, offre un spectacle, si vous voulez, révoltant. Juste un exemple. En, rapidement, en 2008, j'ai fait un reportage au barrage de Manantali, qui est le deuxième barrage le plus puissant d'Afrique. Et le technicien me disait que il y a quatre centrales, une seule centrale peut offrir de l'électricité à, toutes les populations du, à toutes les populations du Mali et à 10 francs CFA. Il suffit juste de transporter l'électricité. Mais à ma grande surprise, le décideur a décidé que l'électricité soit transportée de, de, la Côte d'Ivoire. <coughs> Même en termes de souveraineté, on ne transporte pas son électricité, quoi. C'est, c'est, c'est écœurant. Et au même moment, on en veut attirer les investisseurs. On veut aller vers la transformation, vers l'industrialisation. Comment vous voulez transformer un pays vers euh, l'industrialisation alors que l'accès à, à l'énergie pour le simple consommateur n'est pas garanti? Bon, il faut que les politiques et respecte un peu nous les consommateurs. Quoi. Oh, partons à présent, au Mali, où l'actualité est dominée par la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est d'ailleurs rentré en fonction mardi. Il a d'ailleurs reconduit son premier ministre qu'il a chargé mercredi de former un nouveau gouvernement. L'opposant Soumaïla Sissé, battu à la présidentielle, continue de contester la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Issa Fakaba, le Mali est, en, le Mali est confronté déjà au terrorisme et au conflit entre Dogon et Peul. Euh, comment voyez-vous le quinquennat d'Ibeka si le climat politique délétère vient se greffer à la tension déjà vive euh, Il est clair que c'est déjà un quinquennat sous, tension parce que certains s'interrogent ce qu'on va vers une crise, mais tous les indices montrent déjà qu'on est dans une crise. juste après l'investiture, euh, dans l'après-midi, juste après l'investiture le mardi dernier, dans l'après-midi, le chef de file a fait un, meeting au cours duquel il a clairement dit qu'il ne reconnaît pas euh, l'actuel président. J'espère qu'après, euh, le Mali étant un pays de consensus, le dialogue pourra ou pourra permettre de parvenir à un compromis. Mais euh, si vous voulez déjà euh, euh, les élections s'étant organisées dans les conditions que nous connaissons, il fallait un peu s'attendre à ces à ces contestations et à ces hum, oui à ces manifestations et à ces contestations. Et, et, et, et demain, ou euh, aujourd'hui ou demain on doit avoir un nouveau gouvernement, en principe selon les informations que j'ai reçues. Et au même moment, demain dans l'après-midi, le chef de ville tient un autre meeting. Donc il est clair que l'atmosphère politique est très tendue en ce moment au Mali. J'espère que le dialogue parviendra à nous, à, nous faire sortir. Mais euh, les événements au Mali ont démontré que la démocratie a encore du chemin à faire. Issa Fakaba, euh, quels sont aujourd'hui les principaux défis qui attendent le président IBK dans l'immédiat je, parlais tout de suite du contexte des élections. C'était dans une situation sécuritaire très tendue. Donc aujourd'hui, le principal défi et la priorité, c'est la sécurité pour les Maliens. C'est la mise en œuvre de l'accord signé il y a trois ans, mais qui a du mal à, démarrer. Mais c'est aussi la lutte contre la corruption et la pauvreté. Il faut donner de l'emploi aux jeunes. C'est des défis et le président n'aura pas euh, la tâche facile. Gary Amadou, de quel côté les Maliens doivent euh, regarder pour aller de l'avant tout en évitant des querelles politiques en 30 secondes rapidement mais ils doivent, regarder, ils doivent regarder <laughs> devant eux. Pour moi, la question c'est quelles sont les marges de manœuvre de IBK <laughs> On bah, pas de IBK, de Sommel Elles sont nulles. vous avez une élection qui a été validée par la Cour conventionnelle. Le déroulement a été jugé satisfaisant par les observateurs internationaux quelle est sa marge de manœuvre Elle se réduit à une peau de chagrin. C'est-à-dire que il va, il va pendant un bon bout de temps, mais il va se rendre compte qu'il n'y a, a, personne. enfin, il y a, ces militants, il y a ses sympathisants, mais ça ne suffit pas pour contester une élection, pour amener à reprendre des élections. Non, je crois qu'il va, il va s'essouffler. Et comme c'est une situation qu'on a connue au Niger, il va s'essouffler. Et puis, bon, il va rentrer dans les rangs. Il va attendre les prochaines échéances, c'est tout. Elle Mohamed Souleymane. Je pense que il faut beaucoup de sagesse. Euh, moi, je vois ça à l'échelle africaine. Euh, euh, c'est en Afrique de plus en plus qu'il y a élection, il n'y a pas, je veux dire que fair play, en fait, il y a quoi. C'est vrai, même au Mali, au premier mandat, Sissi a reconnu. Mais j'avoue. a même félicité, il s'est déplacé pour féliciter Ibeka. Je pense que c'est peut-être le processus électoral en tant que tel euh, malgré souvent même la biométrie, il y a des contestations. Mais je pense, comme l'a dit Gary, euh, il faut éviter la solution de la rue. Aujourd'hui, vous voyez par exemple Jinping. Il est dans la posture de Jinping. Il risque effectivement au finish de euh, se ridiculiser. Mais je dis au fond, il va falloir que véritablement pour avoir une vraie démocratie aussi, que les, élections soient acceptées par tous. Hassan Boukar, rapidement. Oui, je pense que on a vu le pire, mais aussi quelquefois des bons exemples. Réla Odinga et Uhuru Kenyatta nous ont montré aussi qu'ils peuvent aussi finir par s'entendre. Alors la question que je pose comme Garé, c'est si c'est qu'est-ce qu'il veut quoi. Je pense que les élections sont quel est l'intérêt politique Je pense qu'il se bat aujourd'hui pour un intérêt politique. Je n'arrive pas à l'identifier. J'imagine qu'il ne se fait pas d'illusions. Ces élections sont déjà jouées, c'est fini. Alors s'il persiste, qu'est-ce qu'il veut gagner Je pense que toute la question à ce niveau. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Hassan Boukar de la radio alternative. Hajj Mohamedou Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, Garé Amadou du quotidien La Nation et Issa Fakaba Sissoko, rédacteur en chef du studio Tamani, c'est au Mali. Merci à vous tous euh, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 pour euh, le forum à Houssa et en Zarma. Merci, au revoir.